du manager de World Vision Kungal, monsieur le représentant de l'œuvre, messieurs les responsables de World Vision, mesdames, messieurs, honorables invités, très chers enfants, nous clôturons ce camp de vacances après six jours de séjour à l'internat de l'église de Kungal. Six jours de gaieté, de joie, de bonheur, de communion et surtout d'enseignement dont le thème est la protection des enfants en ligne et contre les dangers du numérique. En effet, le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus connecté et les technologies numériques jouent un rôle de plus en plus important dans nos vies. Cela apporte de nombreuses opportunités, mais également des défis et des risques, en particulier pour les enfants. Tout d'abord, il est important de reconnaître que les enfants ont les mêmes droits que les adultes et ces droits doivent être protégés, qu'ils soient dans le monde réel ou en ligne. Les enfants ont la liberté d'expression à l'éducation, à la protection contre la violence et l'exploitation, à la vie et à bien d'autres choses encore. Il est essentiel que ces droits soient respectés et promis dans l'environnement du numérique. L'accès à Internet et aux technologies numériques offre de nombreuses opportunités aux enfants. Cela leur permet d'apprendre, de partager avec la société d'une manière jamais vue auparavant. Cependant, il est crucial de veiller à ce que tous les enfants aient un accès équitable à ces ressources. Il est essentiel de réduire la fracture numérique et de garantir que les enfants issus des milieux défavorisés ne soient pas exclus de ces opportunités. En ce qui concerne la protection des enfants en ligne, il est impératif de prendre des mesures pour prévenir et combattre l'exploitation, les abus et la violence. Les enfants doivent être protégés contre la pornographie infantile, le harcèlement en ligne, le cyberbullying, le grooming et d'autres formes de violence numérique. Les gouvernements, les entreprises et les parents ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en place des mécanismes de protection efficaces et dans l'éducation des enfants sur les risques et les comportements en ligne, ce qu'a compris World Vision pour avoir organisé et formé ses enfants. Un autre aspect important est la protection de la vie privée des enfants. Les informations personnelles des enfants doivent être respectées et protégées. En outre, il est crucial de promouvoir la littératie numérique chez les enfants. Les enfants doivent acquérir par conséquent des compétences nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans l'environnement du numérique évaluer les informations en ligne, comprendre les enjeux de la vie privée et du consentement et développer un esprit critique face au contenu numérique. Cela peut être réalisé grâce à une éducation adéquate à la sensibilisation et à la formation, comme c'est le cas lors de ce camp de six jours. C'est donc en ce sens que l'œuvre Vision mondiale, en alliant l'utile à l'agréable, a accompagné, appuyé les communautés de Makayop et de Misira pour donc réaliser ce camp en faveur des enfants. Il s'agit en effet à travers l'art et la culture de promouvoir les droits des enfants, notamment la protection en ligne contre les dangers de l'Internet. Ainsi, plusieurs activités ont été réalisées. Des activités techniques manuelles, des activités techniques spécifiques, des séances de formation sur le thème supra-cité. Ce qui a valu ces riches et pertinentes réalisations des enfants en rapport avec le thème, des tableaux d'art, des, objets d'usage, la teinture, la chorégraphie, le théâtre et l'art martial. Nous en remercions et félicitons vivement tous les moniteurs sans qui cette œuvre n'aurait autant de réussite. Tonton Maron, Tonton Issa, Tonton Elage Diouf, Tonton Omar, tonton Malik Samb tonton Falou, tonton Malik Wad. les tata Anta tata Fatim tata Ulimata, tata Adama tata Amifai, tata Fatou et tata Fatim Ndiaye de la SCOFI. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de World Vision pour la confiance, la collaboration et tous les efforts consentis en faveur des enfants et leur communauté. Merci à tout le staff de Kungel, Elage Correa, représentant et responsable de l'œuvre, Pata Bianquinch, l'éclaireur, mon ami Pierre Tassia et l'infatigable Charles Bassen qui a assuré tout le long de ses séjours donc euh, le transport. Merci à la restauratrice Amiba, et à toute son équipe pour la qualité et la ponctualité des repas. En conclusion, les droits de l'enfant dans l'environnement du numérique sont d'une importance capitale. Nous devons veiller à ce que les enfants aient un accès équitable aux technologies numériques tout en les protégeant contre les risques et les dangers. Je vous remercie de votre aimable attention. pour kelifa yi fi tok yep di ci jital kelifa vision mondial. ak ñepp ñi nga xamne ñu ngi liggéey vision euh ku melni ni El Korea nga xamne ne mom mo euh don yoron doxalin wi ci camp bi euh, wala mom moy responsable bi en tout cas ak ay collaborateur ñu melni ni Pata ñom Pierre ñom Charles Bassène ñu ngi gëreem ñi fi tew te di len sargal di wax na tey mbégte la ñu nekk fii tey di jeexal camp de vacance boo xam ne nii organiser nañ ko ak ay gone yu jógee Maka Yop ak Missirah euh, camp bi nag li ko wund mooy fexe ba dajale xale yi ci période vacance fexe ba lépp lu jëm ci wàllu art ak culture ñu boole ko waaye fexe ba jàngal leen itam lépp loo xam ne nii jëm na ci wàllu kaaraange jëm ci xarala yu bees yi ndax gis nañu ne xarala yi am solo nam bari na njëriñ waaye na bari na rawati rawatina ci xale yi nga xam ne dañu nekk ay nit ñu vulnérable al xale yu vulnérable mu aju woon nag ñu waajal leen préparer leen tàggat leen ba nga ne xarala yoyu du len mën fëkk ba mun bon loolu moo nekkoon mëbëtu camp bi Euh, ñu bëgg nag tey xale yi fi tew li nga xam jëlé nañ ko fi ci walu jang ak jangat ak jangalé ñu mun buñ démé ci seeni communauté ci seeni askan ñu mun ko wéccio ak seeni morom ngir que ni len internet mënoon loré ñu mun ci muccu wayé seeni morom itam mun ci muccu donc euh lolu mom lañu doon waxtané ci bir loolu nak ñu amoon thème boo xam ne nii comme ni ma ko waxee aar xale yi la ci xarale yu bees yi moo xam internet la moo xam réseaux sociaux yi la euh, ci loolu nag mu am ay atelier yoo xam ne nii jot nañ ko fi def yoo xam ne tax na xale yi defar ay tableau di ci wane ja ñaawteef yi nga xam ne wala jeexital yi nga xam ne internet ak yenn ci réseaux sociaux yi mun nañ ko am ci dundu xale yi moom la ñu defar nii ci ay tableau waaye jàngal nañ fi itam xale yi nan la ñuy jëlee dàll mun ko modifier defar ko ba mu nekk dàll yu rafet boole ko ak ay tissu lu mel ni ay wax jàngal leen itam euh, nan la ñuy defaree ay euh, pot de fleur ak ay coupe pour que bu ñu demee ñu mun di ko utiliser man en tout cas euh, gën a yokk mbégte xale yi au niveau de leur communauté jàngal nañ feen leen fii itam nan la ñuy cuubee. ak jàngal leen fi taekwondo euh, à travers donc maître euh, Fallou euh, jàngal leen en tout cas yu bëree baree baree bëri jëm ci wàllu ci wàllu thème bi nga xam ne mu ngi porté dans l' ensemble sur le numérique ñu ciy gërëm nag vision mondiale bi nga xam ne moom moo ndax lu jig njaaga mooy njaag li olof di wax naan liir bu bu feccam liir neexee ndey jaa téye ca mbagg ya bon vision mondiale moo téye ci mbag xalé yi di leen jappalé di leen gunge ba tax ñu mën en tout cas am li ñuy tuddé un bien-être accru euh, vision mondiale di gëreum aussi monitoring yi nga xamné ñu ngi joggé ba Kaolack joggé ba Mabo joggé itam ci communauté yi Maka Yop ak euh, euh, Missira ñom aussi wax dëgg yalla à travers ces 6 jours def liggéey bu muccu ayib. Eh, ma mun ci tonton Maron tata Aida eh, tata Anta eh, tata Fatim ak ñi nga xam en tout cas équipe bi euh ak aussi père éducateur yi nga xam ñom lañu formé won ci première cohorte ba depuis lors ñuy ñëw di accompagner ci lépp lo ñu ngi def ci xalé yi mu nekk un modèle pour wajal leen pour ñu nekk ay modèle de leadership communautaire bon ci lolu ñuy gërëm aussi la restauratrice toggukat bi ndax ñëpp xam nañ ne bu nit ñi dajaloo ay fan mën fi nekk ànd ak wér ak jàmm ak salaam togg yaa jaar yoon togg yi neex na ñëw na ci heure tax na ba activités yi mun réaliser wu niñ ko bëggee ba ñu mun ko jeexal ci jàmm ak salaam bon ñu ngi gërëm ñëpp di jaajëfal xale yi di leen ñaax encore une fois ne leen li ngeen fi jàng li ngeen fi jàngee fexe leen ba bu mu nekk neen World Vision def na li ko war mooy génne xaalis bu takku ngir ngeen bëgg fo ree waaye itam jàng am xam-xam bon loolu bu mun a sax ci noonu lay gërëmee ñëpp di sant ñëpp te di leen baalu àq képp koo xam ne nii am na fi lu ko métti ci camp bi nañu ko baal ndax nit moom la yàlla def matewul bon di leen sant di leen gërëm wa wasalaam euh, di remercier en aussi waa ITV e à Free Info itam wax couvrir manifestation bi dans la gratuité et la gratitude merci beaucoup. qui ont consacré leur temps et leur pour rendre ce camp possible. Votre dévouement et votre passion pour aider les enfants sont une source d'inspiration pour nous tous. Merci à la cuisine pour les repas de qualité et en quantité. Nous enfants, nous avons fait preuve de curiosité, de créativité et d'une incroyable joie de vivre tout au long de ce camp. Nous avons, appris de nouvelles compétences, exploré de nouvelles activités et surtout, nous avons partagé des rires et des sourires. Votre vision s'engage à améliorer la vie des enfants du monde entier. Et ce camp de vacances en est un exemple concret. Il incarne notre volonté de créer un environnement sûr, éducatif et amusant pour que chaque enfant puisse s'épanouir. À tous les parents ici présents, merci de nous confier votre vision. Nous savons que cette expérience a été enrichissante pour nous et que nous rentrons avec des histoires à raconter et des leçons à partager. Enfin, merci à l'église de Kungel pour votre accueil chaleureux et votre soutien tout au long de ce camp. Que les souvenirs de ces vacances restent gravés dans nos cœurs et que nous continuons à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur pour tous les enfants. Vive les enfants, vive les encadres, votre vision se kaw sa kanam. suis internat formation santé je suis booba léegi bu ngeen nekkee fii nii amuñu benn difficulté ak yéen neex ngeen dëkkal booba léegi bien vrai que yéen a ngi tëgg yéen a ngi def lu ne mais dinañ comprendre ne ay xale ngeen yor képp ku yor xale di ngeen foo di ngeen kaf di ngeen ree man daal awma leen lu may wax ne maa leen di daal yéen ñëpp yéen ñu fi teew kenn ku ne daal mu ñibbi ci fameem ci jam ak salaam merci beaucoup. bonjour tout le monde cher coordinateur de ce camp de vacances qui est en l'occurrence euh, mon promotionnaire et ami Babacar Senghor. Je m'avais prononcé quelques mots euh, au nom du manager empêché et de tout le staff de World Vision. Euh, je remercie aussi le responsable pédagogique et toute son équipe, accompagnée des ressources euh, humaines mobilisées depuis euh, les, communes de Makayop et de Misira. Il y a aussi les accompagnants des anciens pères éducateurs qui viennent de Ghent-Pater, de Lourdes, et je pense de Makayop aussi. Je ne serai pas long parce que je ne m'étais pas préparé à intervenir. Donc je vais juste remercier toute cette équipe qui, qui nous a surpris très agréablement. Parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir organiser ces camps de vacances. Mais comme l'adage dit qui ne risque rien n'aura rien, nous avons risqué et nous avons plongé. Et comme nous sommes des croyants, Dieu nous a soutenus, ça a été une réussite. Et cette réussite, nous l'avons vue ici à travers ces manifestations, à travers ces chefs-d'œuvre, n'est-ce pas, que nous ont présenté les enfants. Je pense que pour une première, nous allons nous nous féliciter nous-mêmes et féliciter Babacar Senghor et son équipe. Je pense que désormais, les années prochaines, nous allons faire mieux, nous allons corriger. Rien ne peut être parfait puisque nous sommes des êtres humains. Mais ce qui a été une réussite, c'est grâce à Dieu et je m'avais encouragé les enfants. Vous venez de plusieurs villages. Peut-être au début, <coughs> vous ne vous connaissiez pas. Mais pendant votre séjour, vous avez pu lier et nouer des amitiés et continuer à échanger, même au niveau de vos villages, malgré la distance, parce qu'aujourd'hui, la distance n'est rien avec ces numériques. Mais attention, le thème étant la protection des enfants en ligne et contre les dangers liés à Internet, je pense que vous êtes les porteurs de ce message vers vos petits frères, vos grands frères, vos camarades, vos promotionnaires transmettez ce que vous avez appris, aidez-les à les protéger, mais vous aussi, protégez-vous vous-même, parce que vous êtes les premiers acteurs de votre propre protection. Et après vous, c'est vos parents. N'oubliez pas que vous êtes avec vos parents. Ne partez pas pour perturber l'ordre qu'il y a déjà dans vos familles. Et après la famille, c'est le village. Et le village, c'est la commune, c'est tout l'arrondissement, c'est tout le département, c'est toute la région, c'est tout le Sénégal. À travers vous, le Sénégal va être protégé. À travers vous, n'est-ce pas, les dangers liés à Internet seront bloqués. Donc, je vous donne, je vous rappelle que vous êtes les porteurs de ce message. Je vous remercie et bon séjour et bon retour à domicile